que Macky est le seul responsable de ko juger pour haute trahison sur les morts de, mars tu l'as mais non mais mm-hmm. Macky Sall affaire maintien de l'ordre mais le seul responsable c'est Ousmane Sonko pourquoi mais l'on ko parce que c'est lui qui a fait qui a fait appel à l'insurrection mm-hmm. mais nous, si nous sommes opposant à Bolé. Mm-hmm. est-ce que ça nañ un cocktail molotov est-ce que as un bus et c'est ça la différence comme dit Marc Aurel, mhm. la pire vengeance, mhm. c'est de ne jamais être comme son adversaire. xam nga ñoom ñoo fi jël ay cocktail molotov. ça mhm. sànni ko ci de bus ba ñaari xale jigéen dee ci mais Sénégal ba mu nekk Sénégal ba léegi mhm. ñoom rek ñoo fi mës a taal université mhm. fekk université le temple du savoir mhm. ñu taal ko c'est ce que appelé le gangsterisme politique de Pastef et heureusement les forces de l'ordre du Sénégal qui ne sont pas comme le Mali ou la mais ba loolu justice joxeegul le verdict sur ça yaa ngi leen di condamné te déjà nga ne ñoo taal université ñoo taal. ah ñoo taal université. ah je sais pas on était dans <laughs> une guérilla non. mais ñu taal <laughs> xamagul yoon waxagul kan. ñi taal taal université jàpp jàppoon nañ leen. ci ñu bàyyi nii ci amnistie am ci si ça veut dire ak lo manti def mhm. ak lo manti def mhm. ak lo manti def dañ lay ak lo manti dañ lay mhm. donc c'est pourquoi on doit rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui ont empêché à ce que li am Mali am Burkina am Sénégal mais ñom japp nañ leen mais les, Sénégalais aussi ont envie de savoir ce qui s'est passé, quand même, ça a été mais tout un le monde, drame. Mais tout le monde sait qui s'est passé. Voilà, nous réconciliation nationale, nous avons la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé, <laughs> Mais tout le monde, tout le monde sait ce qui s'est passé. Oui, mais il y a eu des morts, mais, oui, mais, mais, mais, le seul responsable, c'est celui qui appelait à l'insurrection, mm. qui appelait les gens à sortir dans la rue, Mm. mais fi combien de fois la ñu fi convoqué nit nga dem tribunal té coow amul dar amul Wade combien de fois la ñu ko convoqué mu dem Idrissa ça. combien de fois la ñu fi convoqué mu dem mm-hmm. mais récemment Bougane ni ko convoqué mu wuy ji mais mom rek lañ fi convoqué mu jël les populations comme bouclier humain mais à la limite, c'est ce qu'on appelle l'insurrection. Nous, de 2021 mhm. à 2024, on a fait face à une véritable insurrection. Et maintenant, nous, notre responsabilité historique de l'État, mhm, mhm. c'était d'éviter que l'État tombe. Parce que si l'État tombait, le Sénégal serait un pays ordinaire comme le Burkina et le, et le Mali. Ce qui fait que le bien le plus précieux que nous avons, cet État, cette administration, cette le seul pays qui n'est pas contre les ruptures anticonstitutionnelles les dédames mm-hmm. Ousmane Sonko loolu la mm-hmm. Ousmane Sonko veut détruire l'exception l'exception sénégalaise. Mm-hmm. il a essayé de le faire par l'insurrection ça n'a pas marché. maintenant il veut le faire de l'intérieur. Ah, il veut le faire de l'intérieur. Ah, il veut détruire l'exception il veut détruire l'exception sénégalaise. L'exception c'est la teranga, c'est le djam, c'est le maslaha, mais pourquoi Mou Bouk Mais regarde son comportement. C'est quoi son comportement Regarde son comportement. Farbangom, ça va être ta dernière élection. Non, vraiment, vraiment. Moi, oui, affaire Casamance képp ku ci waxati. dinañ la moom la ñuy jeexalee moom livre bi dinañ dinañ tëj ci kaso ba nga mel. Oh ah. ce monsieur là c'est le président du Sénégal toi aussi. mais il faut qu'il se il faut qu'il se mette dans il faut qu'il se mette dans la tête. oui qu'il est assis sur le fauteuil de Mamadou Dia. de Habib Thiam. et de Abdou Diouf ay kilifa. wallaay ay kilifa. wallaay ay aïe, qu'il kilifa. wallaay hein? affaire kii. Mm affaire Mori, mhm. pour moi, il mhm. n'y a qu'un seul responsable. Mhm. Celui qui a appelé à l'insurrection. Guénelen. Nous voilà tribunal, nous ñu euh, tribunal nga ni wujuma ñu woo tribunal nga ni jeunes yi way génn leen génn génn leen dem ce sont les conséquences maintenant le choix était simple est-ce qu'on laisse tomber l'État Et si l'État périt, tout le monde périt, ou bien on maintient l'État Donc c'est la seule. Et puis à la nous, nous avons cette responsable historique d'avoir sauvé l'État du Sénégal. Maintenant, ñu delluwaat ci justice ñu xam kan moy kan kan moy ki kan kan moy kan moy le responsable war nañ ko dindi ñu xam la ah, vérité mais le <laughs> responsable c'est lui ah mais c'est lui qui a appelé à l'insurrection mais justice moko wara moko wara wax quand même ah justice kenn loolu la waxoon nag bañ jàpp ah. Ah, justice kenn <laughs> moom affaire diffamation au Prodac bi la waxoon eh, mais Prodac bi déjà yow non Prodac bi non non non Prodac bi gis na commencé nañ jàpp oui non affaire Mambay te Mambay daw nañ moom moo ko wax non jàpp non tëjuñ ko ci non non tëjuñ ko kaso ci affaire diffamation hein li côté ko tëjee kaso mooy appel à l'insurrection il affaire dit loolu moo ko yóbbu kaso ah. maintenant nag amnistie a effacé. non c'est six mois yi mooy. mu non six mois yi tëjoon pour l'affaire oui six mois non. difa dafa diffamé woon pour diffamation non non non demul kaso pour diffamation le procureur jàppe woon. appel à l'insurrection appel à l'insurrection sur l'ordre public loolu lañ ko jàpp jàppe wuñ affaire diffamation donc non diffamation moom moo tax mu perdre ses droits civiques les six mois c'est vrai que procureur defoon na conférence <laughs> jël